forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio 15 15 à Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu à travers nos radios partenaires au Niger. Le thème dont nous allons débattre aujourd'hui avec nos invités est l'exclusion des élèves pour non-paiement des frais du COGES, Comité de gestion des établissements scolaires, est-ce une violation du principe de la gratuité de l'éducation Au Niger, les autorités se sont engagées pour que l'éducation soit gratuite jusqu'à 16 ans et malgré cela, des élèves manquent plusieurs jours d'école pour non-paiement de certaines cotisations des recouvrements qui se font à travers les comités de gestion des établissements scolaires euh, COGES, des cotisations des communautés qui contribueraient dans le financement de l'éducation au Niger en plus du budget de l'État. Au niveau du primaire, euh, environ 2% des dépenses totales ont été mobilisées en 2010 euh, selon le rapport sur l'alphabétisation, le niveau d'instruction et la fréquentation scolaire réalisé par l'Institut national de la statistique euh, INS. Pour débattre euh, du sujet, je suis avec euh, M. Abdou Garba. Il est le point focal régional du comité de gestion décentralisée des établissements scolaires à la direction régionale de l'enseignement primaire de Niamey. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Nous avons aussi euh, Mamadou Baba Touré, secrétaire général de l'association des parents d'élèves et étudiants. Bonsoir. Bonjour madame. Nous attendons incessamment Cheibou Dambaji, chargé d'enseignement au secondaire euh, à la retraite. À la présentation, Rayle Soumana. Bonsoir à tous, euh, chers auditeurs, et merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence euh, dans ce studio pour répondre euh, à ces différentes interrogations autour de la gestion des écoles par les communautés. Tout d'abord, je vais commencer par vous, le point focal des COGES à Niamey. Dites-nous qu'est-ce qu'un COGES, comité de gestion des établissements scolaires, et quelles sont les parties qui composent ce comité. bonsoir, madame. Tout d'abord, je remercie le studio Kalangou d'avoir initié ce débat. Madame, vous n'êtes pas sans savoir que l'État du Niger a pensé à la décentralisation sur tous les plans. Donc, euh, ce qui l'a amené à penser aussi que la gestion des écoles doit être aussi dans la main des communautés. Nous sommes un pays pauvre, il faut le reconnaître. On a des difficultés à pouvoir tout prendre en charge. L'État prend presque la totalité des charges. Maintenant, à un certain moment, l'État s'est dit il faut aussi impliquer les parents à cette gestion-là des, écoles. Ce qui a amené à la création des COGES. L'appellation COGES, comme vous l'avez défini, c'est le comité de gestion des, établissements scolaires. Donc, le euh, chemin faisant, des réformes ont eu lieu les premières COGES ont été mises en place en 2004. Donc euh, l'appellation au niveau du primaire a changé en 2008 en devenant CDGES, qui, veut dire Comité de gestion décentralisée des établissements scolaires. Et pourquoi ce changement Non, c'est juste, euh, comment on appelle, stratégique. Mais le, contenu, c'est le même. au, secondaire, ils disent COGES et quelles sont les parties qui composent euh, ces, ces, ces CDGES, ces COGES Ces COGES sont des comités qui sont au niveau local d'abord, mhm. dans l'école. Il y a un arrêté ou des qui crée ça. C'est l'arrêté 39 du 22 février 2012. C'est le dernier arrêté qui donne les attributions D'accord. À part les attributions, je voudrais connaître euh, qui compose ce comité-là, quelle partie prenante Les parents d'élèves ont un représentant ou euh, les amis ont des représentants. Maintenant, le bureau est composé de 12 membres tous sont des parents d'élèves. Le secrétaire général du comité local, c'est le, directeur de l'école. D'accord. Euh, comment on appelle euh, Le président doit être un parent d'élève. Il y a le représentant des enseignants, du personnel enseignant dans le comité encore. Donc il y a le directeur, qui, les parents d'élèves, les enseignants et les maires éducatifs. voilà, voilà. D'accord. Donc euh, à présent, je vous propose de suivre le président du comité de gestion des établissements de la commune rurale de Karma, Abdoulaye Ayouba, dit Abdou Megida, interrogé par notre correspondant eh, Dès le début de l'année scolaire, le directeur de l'école appelle le président du comité de gestion de l'école pour l'informer de son intention de faire le plan d'action annuel de l'école. Lui aussi informe les membres du comité de gestion et convoque une réunion à cet effet. Ainsi, avec le corps enseignant, il dresse les besoins en cahiers, livres, craies et tout le matériel nécessaire à l'encadrement des élèves pour l'année en cours. Ensuite, ils évaluent leurs coûts. Une fois le budget arrêté, le président demande au directeur de convoquer tous les parents d'élèves à une réunion à travers les élèves. Une réunion au cours de laquelle le président et le directeur font le point sur les besoins de l'école pour l'année et leurs coûts. C'est cette somme arrêtée qui sera divisée par le nombre d'élèves pour trouver la contribution à payer pour chaque parent d'élève. Il donne un délai de deux semaines à un mois pour que chaque parent puisse s'acquitter de ce qu'il doit payer. Dans certaines écoles, une fois la somme réunie, on commence par la construction des classes en paillotte avant le matériel didactique. Dans le temps, c'était l'État qui prend la charge totale des écoles. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut plus satisfaire les besoins de toutes les écoles. Les parents sont donc obligés de contribuer à l'éducation de leurs enfants parce que les fournitures scolaires que l'État donne, par exemple à une école qui compte 200 à 300 élèves, ne peuvent que doter tout au plus 30 à 40 élèves. Voilà, vous venez là d'écouter euh, un des euh, représentants du COGES de Karma. Selon lui, il faut l'implication des parents d'élèves pour que les enfants aient des infrastructures et le matériel nécessaire euh, pour les cours. Monsieur Touré, vous êtes ici en tant que parent d'élèves. Est-ce que vous faites partie d'un COGES Est-ce que ça fonctionne tel que l'a dit le directeur de Karma Merci, madame. Tout d'abord, nous rendons grâce euh, au bon Dieu qui nous a permis d'être euh, parmi vous aujourd'hui mm. et remercions tous les personnels de l'Institut Kalangu pour les efforts combien importants dans l'accompagnement des différentes structures œuvrant dans le système éducatif du pays et la sensibilisation qui seule peut faire en sorte que les partenaires et les acteurs comprennent les textes qui régissent ces organes et qui et que sans ces organes, beaucoup des établissements ne, fonctionneront pas euh, cette année. Je veux dire euh, les CGDS au niveau de primaire mm. et les COIES ES au niveau secondaire. Ce qui fait que moi, ici, en même temps, les SIG, la FCC, CGDS de l'arrondissement communal Niamey 3, ça veut dire. Euh, la Fédération de COGES de l'arrondissement Niamey, 3, vraiment, les CGDS, les COIES, c'est une mamelle très importante dans le fonctionnement des établissements scolaires parce que euh, depuis euh, la signature de la convention, euh, la Lausanne, qui a l'État avait signé, qui a dit que il faut la participation de la communauté de la gestion des, établissements scolaires, parce que l'État seul ne peut pas le faire. Il faut impliquer maintenant la population, parce que l'école maintenant c'est une école de la communauté et pas école qui, qui est, comme avant on dit, l'école de la, de la commune. C'est la communauté qui fait fonctionner l'école. Et avec la collaboration des parents d'élèves, eh, le bureau de COGES et de CGDS est composé, comme a dit le, le, focal. Il y a trois représentants des parents d'élèves dans le bureau de COGES. Il y a le responsable de l'établissement et il y a un représentant des enseignants qui représentent les enseignants de l'école. Et dans les écoles où il y a les, coopératives scolaires, il y a euh, un représentant des élèves aussi. Donc c'est ce comité-là qui se réunit pour euh, faire un plan d'action à chaque rentrée de l'école. Donc comme l'a dit, euh, le, directeur de Karma. Voilà. Et le plan d'action tient compte de toutes les activités annuelles de l'école. Mhm. On a les besoins de l'école. Et ce plan d'action-là, c'est un projet et le projet qu'ils vont faire, ils vont le soumettre au bureau de parents d'élèves. Parce que euh, c'est les parents d'élèves qui sont les sources du financement de ces COGES. D'accord. Donc, on peut dire en quelque sorte que ça fonctionne de la même façon, que ce soit au niveau primaire ou au niveau secondaire. Oui, ça fonctionne de la même façon au niveau primaire et, au niveau secondaire. Merci, M. Touré, représentant des parents d'élèves, Monsieur M. Cheibou enseignant du secondaire à la retraite, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, monsieur. Eh, bonjour, madame. Voilà, donc euh, vous, euh, en tant qu'enseignant euh, de carrière, est-ce que le fait de créer ces COGES, ces CGDS, ça veut dire que l'État, quelque part, ne peut pas vraiment couvrir de façon effective les besoins des écoles. Merci, madame. Bon, la question que vous posez, est-ce que l'État ne peut pas couvrir les besoins de l'école Là, c'est un débat de société. Parce que, <laughs> vous savez, l'homme politique, c'est lui qui détermine les priorités. Mais s'il faut dépenser les ressources, les ressources de la communauté, en tenant compte des priorités, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui seraient à la portée de nos États. Mais maintenant, sur le principe, qu'on associe eh, les parents d'élèves sur tous les plans à la vie de la de l'école, c'est une très bonne chose. En fait, il faut dire que ce n'est pas nouveau. De tout temps, l'école, au niveau des villages et au niveau de la communauté, les parents d'élèves, même si ce n'est pas en termes de contribution, ils ont toujours été associés, à la vie de l'école. Mais à, eh, à partir de 1998, vous avez une loi qui a formaliser le type de rapport que la communauté peut avoir avec l'école, notamment en instituant euh, la contribution qui est attendue de la communauté. En plus Donc, de celui de l'État. Euh, tout à fait. Il y a euh, un certain nombre de dépenses où la communauté peut contribuer. Dans la Lausanne, il est bien précisé à l'article 60, voilà les différentes rubriques. C'est notamment la contribution au niveau des fournitures. Mais pour ce qui est des infrastructures, comme les classes, ce n'est pas du ressort. En tout cas, la loi ne l'a pas prévu. Ce n'est pas. Et pourtant, c'est plus ceux qui le font. les classes en non, mais la réalité, vraiment, non, les gardiens, non, mais le parent, le, parent ce qu'ils vous ont dit là. Mhm. dans, dans notre pays, s'il n'y avait pas de COGES, <laughs> je vous assure qu'il y aurait des écoles qui fermeraient. Donc, en quelque sorte, c'est les COGES qui maintiennent encore les tout à fait. Et, vous ne pouvez pas soupçonner, même au niveau des centres urbains, mais les subventions que l'État est censé donner pour que les établissements, en tout cas du secondaire, fonctionnent, ces subventions-là ne sont pas données. Et même si elles sont données, elle ne représente rien du tout. Mais donc cela veut dire que l'État, en quelque sorte, euh, démissionne de de, de, son rôle, parce que vous dites sans les COGES, les, certaines écoles ne, ne, survivraient pas. Non, l'État, en certains aspects, il a démissionné. Si par exemple les constructions de, hangars ou les constructions de classes, <laughs> on dit que c'est aux parents d'élèves de le faire. C'est ce que a dit. Euh, non, non, non, euh, qu'ils lisent la Lausanne, ça ce n'est pas du ressort des parents c'est notamment la collectivité et les, régions qui doivent prendre en charge ça. Les, la contribution des parents, elle tient compte comme des, des possibilités. Donc moi, je, suis de ceux qui croient que, effectivement, les COGES, le rôle qu'ils jouent dans le fonctionnement des écoles, et si vous voyez eh, les différents arrêtés, eh, vous allez vous rendre compte que rien ne peut se faire sans les COGES. Donc, euh, selon vous, qu'est-ce qui aurait réellement poussé les autorités de l'éducation à, créer ce genre de structure vous, voyez, les gens ne voient que l'aspect eh, argent, les contributions, mais il n'y a pas que ça. Les COGES, je vous dis, participent à la vie de l'école. S'il y a des projets de gestion de, conflits et tout ça, et, et même le suivi de la performance au niveau des écoles, ça fait partie des attributions du COGES et même la gestion des fournitures. Ce que, en tout cas, au niveau du secondaire, je sais que généralement les chefs d'établissement ne veulent pas qu'on évoque ça. Et pourquoi eh, Parce qu'ils veulent. C'est, la tradition a fait que c'est leur chasse gardée, alors que les textes ont prévu que les fournitures et même la subvention hypothétique de l'État, lorsqu'elle tombe, elle fait partie de ce que les COGES doivent gérer. Bref, madame, moi je vous dis que les COGES aujourd'hui contribuent pour beaucoup dans le fonctionnement de nos écoles. Et je sais de quoi je parle. En tout mhm. cas, j'ai fait une vingtaine d'années dans un lycée. D'accord. Depuis 2004, les, devoirs et certaines activités qui sont menées hein, au niveau des écoles, en tout cas, s'il fallait attendre que l'État envoie sa subvention, on ne les aurait jamais exécutés. Merci, euh, Monsieur Dambaji. Je reviens vers vous, M. Euh, Monsieur Abdou, point focal régional euh, des, COGES. Donc, que dit réellement cette loi d'orientation du système éducatif nigérien, notamment en ce qui concerne la gestion des écoles, ravitaillement du matériel didactique et infrastructure, ce que Monsieur Dambaji a abordé brièvement tout à l'heure Merci, madame, de m'avoir donné la parole. Euh, je voulais dire que Dambadji, c'est un grand frère, euh, c'est un aîné. <laughs> voilà. Donc, ce qu'il a dit, en partie, je suis d'accord avec lui, mais euh, comme il l'a dit, c'est des questions. questions sur les points sur vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire, mm. la Lausanne, c'est une loi qui date de 1998. C'est une vieille loi certaines parties ne sont plus d'actualité. Je ne sais pas. Mais pourquoi ce n'est pas renouvelé selon vous Normalement, c'est ça qui va amener à ce qu'on réactualise certaines dispositions de cette loi-là. Parce qu'une loi qui a près de 20 ans, c'est tout à fait normal qu'il y a certains paramètres, il y a, plein de choses qui ont changé. Qui vont changer. Mhm. La prise en charge, comment on appelle mhm. L'État fait beaucoup d'efforts vu dans le contexte dans lequel nous sommes. Ce qu'il a dit, c'est des questions politiques. Un État fait des prévisions. Et maintenant, la contribution des parents, comme il l'a dit, c'est nécessaire et c'est même vital. Nous reconnaissons que les parents font beaucoup de vols vu l'état dans lequel nous sommes. Mais il ne fallait pas aussi que nous sillons l'arbre sur lequel nous, sommes. Parce que souvent, c'est la, la, la, démarche qui, qui, est faussée. Parce que si on se met dans un angle syndical, ou dans un angle politique, ou dans un angle social, c'est différent les positionnements vont changer ou dans, dans, le, comment on appelle la, la position de l'État. Oui, mais là, on parle de l'éducation des, des, enfants. Ça doit aller. Euh, oui. Bien dans cette direction, il n'y a pas besoin de politique ou autre chose. C'est des visions. C'est des visions. Parce que quand quelqu'un dit que tu, dois mettre 100 francs dans l'école, tu n'as pas, tu as mis 50 francs, c'est insuffisant. Et que l'effort que tu as fait, tu sais que tu as fait des efforts. Quelqu'un va dire non, tu dois mettre les 100 francs là, hmm. obligé. Voilà le problème. C'est mm. ça la question politique. D'accord, il faut partager euh, les, coûts. Merci, euh, Monsieur Abdou. Monsieur Touré, euh, Association des parents d'élèves, quand la Lausanne parle du partage de coûts de l'éducation, est-ce que cela veut dire qu'on ne parle plus de gratuité de l'éducation Comment est-ce qu'on peut expliquer cela Oui, bon, lorsque l'État a pris l'engagement, de la signer, la Lausanne. La Lausanne permet la participation des parents dans les écoles. Mais la Lausanne ne dit pas que l'État doit se désengager des de, en charge des systèmes éducatifs. L'État nigérien a pris l'engagement en 1991 de mettre 25% du budget dans l'éducation. mais, jusqu'à présent, on n'a pas atteint. Jusqu'à présent, le budget... de 20%. Est-ce que ça atteint 20% même jusqu'à présent C'est ce qui est dit dans le budget général en tout oui, cas. mais, mais jusqu'à présent, l'État ne, met pas les moyens nécessaires. Et si même il met les moyens nécessaires, il faut voir comment ça, ça fonctionne. Normalement, et les budgets mis dans le système éducatif doivent atterrir jusqu'au niveau des enfants. Mais malheureusement, quand vous voyez ce qui se passe, le système éducatif, ce n'est pas comme il le faut. Puisque les moyens mis, les budgets qui est voté et mis dans le système éducatif n'atterrit pas au niveau qu'il faut pour qu'ils puissent permettre aux enfants d'avoir un bon éducation. C'est pour cela qu'ils ont dit faire participer la communauté. Et la communauté, maintenant, à travers les parents d'élèves. Maintenant, dans les écoles, il faut que les parents d'élèves participent pour que les écoles fonctionnent. Sinon, à chaque rentrée d'école, s'il n'y a pas la participation de ces parents-là, il y a beaucoup d'écoles écoles qui ne vont pas ouvrir. Ça veut dire que le budget qu'alloue le, gouvernement à l'État n'est pas aussi bien géré que ça. Sinon, on n'aurait pas besoin Moi, je dis qu'il n'est pas bien géré. S'il est bien géré, on n'aura pas beaucoup de problèmes par rapport à, à, la gestion des établissements scolaires. Certes, il faut faire participer les parents dans la gestion des établissements, pas seulement dans les cas eh, eh, financiers financiers, dans les, cas où même euh, eh, de l'éducation des enfants et de l'assistance des enseignants, l'accompagnement des enfants, l'accompagnement des enseignants, tout ça là, les parents doivent participer dans la vie de l'école. Donc, je voudrais revenir par rapport à même euh, les mobiles même qui a poussé l'État a créé ces CGD, cela dans les écoles. posée à M. Dambaji tout à l'heure. Voilà. Brièvement. Vous, voyez, eh, la mauvaise gestion des fournitures et matériels scolaires dans les écoles. Euh, comment ça, mauvaise gestion Comment Les responsables des établissements, avant, les établissements, quand il n'y avait pas les COIES, ils font ce qu'ils veulent de des de, fournitures. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Oui, bon, je voulais dire, euh, euh, c'est qu'il n'y a pas une transparence dans la gestion des fournitures que l'État amène dans les écoles. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut mettre un comité où tout le monde va participer. Il y a les enseignants, il y a les parents, il y a les élèves qui vont participer à la gestion. Et cela a arrangé la situation selon vous Bon, il y a une amélioration. Il y a une amélioration jusqu'à présent, mais il y a des réticences. Il y a des réticences, il y a certains acteurs qui ne jouent pas leur jeu. Il faut que les gens respectent les textes. Il y a un texte qui régisse ces organismes. Quelque chose, un garde-fou. Un garde-fou. D'accord. Donc maintenant, il faut maintenant le ces textes. Et il y a la mauvaise gestion du personnel enseignant aussi il y a aussi eh, le manque eh, d'entretien des infrastructures. Donc maintenant, les infrastructures, s'il y en a. Oui, oui s'il y en a. Et moi, je vous dis que cette année-là, à la rentrée, il y a certains collèges qui ont, qui ont, qui ont confectionné, et eh, qui ont, plus de 10 classes en paillotte dans un seul établissement. C'est, tout ça, là, c'est le collège qui a fait. Mais ah, ce n'est pas à eux de faire ça. S'ils si, si attendent l'État, les enfants ne vont pas étudier. Vaut mieux le faire que d'attendre. Il a fallu Combien de temps pour que l'État puisse euh, commencer à construire ces, classes en paillotte Il a fallu plus de deux mois de retard. Ah. L'État a mis beaucoup de moyens. Moi, je dis que c'est mm-hmm. la gestion de ces mois-là qui fait défaut. En, parlant de moyens, je vous pose la question, M. Abdelgarba, point focal euh, des COGES. Il y a un système de cotisation des parents au sein des COGES. Est-ce que ces cotisations sont obligatoires pour les parents Oui, madame. La question, elle est délicate. Parce que quand on dit participation, mm. les parents les COGES au niveau local doivent se réunir. C'est à leur réunion communautaire avec tous les acteurs mhm. que les besoins de l'école, chaque école localement doit euh, dresser les besoins de, de son école. C'est en fonction de ça et les contextes dans lesquels, si c'est un milieu rural, si c'est un milieu urbain, si c'est un milieu désertique, il faut qu'on fasse ça de façon locale. Une fois que les besoins ont été définis avec la participation de tout le monde, on dit, bon, vous voyez, notre école a besoin de telle, telle, telle chose qui ne sera pas disponible si on attend l'État. Parce que même si l'État a prévu ça, vous connaissez la lourdeur administrative que ce que le SG de l'APU a dit. Il mhm. a raison. L'État, c'est une personne morale. L'État, les, personnes physiques sur le terrain, c'est nous les parents. On doit, donc, on concrétise nous on prend de l'avance, on se dit, bon, si c'est 100 francs, si c'est 1000 francs, si c'est 50 francs, si c'est ça peut être, ça dépend de ce que la communauté peut prendre en charge, avec leur comment, adhésion. comment est-ce qu'ils décident de combien ils vont C'est à eux de, décider en Assemblée générale. D'accord. Il n'y a personne qui les impose. Il n'y a aucun texte qui dit que tel texte. Mais est-ce que c'est obligatoirement la personne doit La notion d'obligation, c'est une, obligation morale. D'accord. Donc là, je pose la question à M. Saïbou Dambaji, enseignant à la retraite. Avec ces temps qui courent, beaucoup se plaignent euh, de la situation économique. Tous les parents ne disposent pas du montant demandé toujours. dans ces cas, si le parent ne paye pas, qu'est-ce qui pourrait arriver à l'enfant Est-ce que vous avez rencontré des cas où les enfants ont été euh, mis dehors, euh, chassés pour non-paiement de, cotisations cotisation ou quelque chose comme ça Bon, euh, c'est sûr que ça arrive au niveau de certains établissements, mais il faut dire que c'est un dérapage. lorsque vous chassez un élève parce que ses parents, en début d'année, n'ont pas payé ses frais, c'est un abus. Et vous savez, l'administration, elle fonctionne sur la base de textes. Donc, un directeur qui prend le risque de chasser un élève, il faut qu'il ait un support. Or, il n'y a pas ce il support. Pas de support. Eh bien au contraire, le support qu'il y a protège l'élève. Mais eh, notre Lausanne, elle dit bien que l'État eh, assure l'éducation des jeunes Nigériens de 4 ans à 18 ans. C'est tout dire. Ça veut dire que l'État va créer les conditions pour que le jeune Nigérien de 4 ans à 18 ans puisse rester sur les bancs de l'école. Tout directeur qui fait cela les textes. Non, je vous assure que c'est un abus. Ça arrive que certains eh, chefs d'établissement empêchent à des élèves de composer. On ne leur donne pas les bulletins. Bon, encore, la, Encore la, pression, la, pression, des bulletins est, elle ne stigmatise pas, en fait, elle ne sanctionne pas l'élève. Mais lorsque vous empêchez à un élève de composer, de suivre une évaluation, mais là, vous prenez une décision grave. Parce que s'il n'a pas été évalué, et en fin, en fin d'année, il sera exclu. Mhm. Non, et vraiment, on parle de participation. Ces frais-là, on fait en sorte que non seulement qu'ils soient supportables par l'essentiel, en tout cas des membres de la communauté, et aussi, il revient aux établissements, aux chefs d'établissement, de faire la sensibilisation ou de créer le cadre euh, nécessaire pour pouvoir euh, percevoir euh, ces cotisations-là qui ont été arrêtées d'un commun accord. Mais puisque euh, ils sont tous euh, inclus dans, ce comité-là, et les responsables d'établissement et les parents d'élèves, il y a une loi qui est là, la Lausanne, euh, qui, qui dicte comment ça doit fonctionner. Et de l'autre côté, directeur de l'école qui empêche à certains élèves de suivre les évaluations. Comment expliquer cela alors qu'il y a les parents d'élèves, ils savent que c'est n'est pas normal Non, madame, je vous dis que ça, c'est des actes de gestion de gestion courante de l'administration. Mais ceux qui prennent le risque de le faire. <laughs> Mais le parent d'élève est, en droit d'aller rencontrer le chef d'établissement pour dire que non, vous n'avez pas le droit de le faire. Au moins, peut-être où vous demandez ces 2000 francs-là ou ces 3000 francs, moi je ne les, je les ai pas. Mhm. En tout cas, eh, vous n'avez pas le droit de chasser mon, enfant. Mais il faut dire quand même, euh, pour l'essentiel, les, les parents d'élèves et l'administration scolaire gèrent ces cotisations. En tout cas, les perceptions de ces cotisations-là sont gérées avec doigté. Ça veut dire qu'il y a le moins de conflits possible. Donc, euh, les, quelques, euh, les quelques parents qui ne payent pas, en tout cas, ne doivent pas être sanctionnés on ne doit pas sanctionner leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas payé. Mhm. Généralement, je sais qu'au niveau du secondaire, le moins de pression que certains chefs d'établissement et retiennent, c'est de garder le bulletin et puis d'appeler le parent d'élève. c'est au niveau C'est au, niveau du secondaire. D'accord. Mais au niveau du secondaire aussi, vous avez des <laughs> chefs d'établissement qui, la veille de l'évaluation ou au moment de l'évaluation, passent dans les salles de classe et avec leur liste, ah, un tel n'a pas payé, sorti. Oui, ça, ça c'est dommage. Moi, moi au Corombe, j'ai. Une liste, parce qu'ils n'ont pas payé. Parce qu'ils n'ont pas payé. Moi, au Corombé, j'ai eu à maintes reprises, en tant qu'enseignant et de surcroît responsable syndical, à intervenir pour dire non, ça là, ça ne doit pas se faire. Il faut que l'élève, et c'est le droit de l'élève de composer, il faut trouver une autre méthode pour le sanctionner. Mhm. vous ne pouvez pas lui empêcher d'être évalué, parce que si vous le faites, ça veut dire que vous le condamnez à l'exclusion. Il y en a qui le font. Mais je vous dis, vraiment, pour l'essentiel, les administrations. Cette façon de faire aussi, c'est vraiment pas euh, bien, même pour, euh, pour l'élève euh, avec ses camarades. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quand vous venez devant la cinquantaine d'élèves ou même. Parce que dans nos classes, nous avons des classes aussi de 120 élèves. <laughs> Nos collèges et nos CS, vous rencontrez et vous dites un tel n'a pas payé c'est une sorte vraiment, Non, non, tout à fait. Je, suis, je vous le conseille concède, madame, c'est des choses qui ne, qui ne sont pas à faire. Il faut trouver des méthodes, en tout cas des approches euh, plus, conciliantes, plus civilisées pour gérer ce <laughs> conflit. quoi. D'accord, oui. Vous voulez rajouter quelque chose un point vraiment euh, important, c'est la, la, la, tactique ou bien la manière qui manque pour le recouvrement des cotisations, euh, que ce soit au primaire ou au secondaire. Mm-hmm. Si nos, directeurs d'école ou les COGES ou les CDGES savent avoir la bonne manière Selon vous, qu'est-ce qui, pourrait être la meilleure approche La, euh, meilleure approche, c'est toujours être en contact avec la communauté. nous, nous, nous, fatiguons pas d'aller vers la communauté. Le parent d'élève, il y a des parents d'élèves récartissants dans la nature, naturellement qui ils ont les moyens. Certains ont les moyens, ils ont, pour d'autres considérations, peuvent refuser. Ils disent même pour en public. de leur enfant. Oui, en, public même, ils disent je ne paye pas. En quoi ça les embrasse en faisant ça On a l'habitude de voir des assemblées générales des parents d'élèves qui se lèvent, moi je ne paye pas. Ça, c'est une, c'est ça, vous voyez, des cas comme ça, il faut les isoler pour ne pas faire des gangrènes l'ensemble. Parce que dès qu'il y a des cas comme ça, ça peut amener, c'est comme si c'est une révolte. Non, mais là, nous parlons des parents qui n'ont pas les moyens. C'est ça la difficulté de comprendre. les moyens, là, c'est relatif. C'est relatif. La nature humaine, là, chacun, on est là, en nous voyant. Il y a d'autres qui ne connaissent, pas. Ils ont les moyens réels, mais ils ne veulent pas. Ça, ce cas-là aussi. Mm. C'est un problème. Pour les parents que l'enseignant, parce que nous sommes des enseignants, on a fait la psychologie, on a fait la sociologie, nous devrons savoir comment aborder ces cas-là pour ne pas faire de, l'entrave. Qu'est-ce qu'il fallait faire selon, nous, selon moi, mhm. il fallait l'approche là de façon consensuelle, savoir. Parce que au-delà au -delà, euh, qu'on aide les textes, je suis d'accord que les textes doivent être respectés. Mhm. Mais des cas de rébellion. il faut, aussi. Il, faut les actualiser. Des cas de rébellion, il faut, il faut, les, il faut adapter à, la situation. Mhm. C'est ça la situation, les, moyens dont on parle là. Tout parent qui, durant toute l'année, on te dit, c'est le, le, le, le moyen de collecte. Si c'est 1000 francs, on peut, on peut te dire c'est 50 francs, tu peut payer 50 francs, 50 francs. Mais certains, même ça, c'est pas là. Mais il y a des familles qui peuvent faire, un mois sans avoir 500. Euh, comment, on n'a pas dit 500. non, ça, c'est. Si on suppose cela, une famille qui, qui, qui ne peut pas avoir 500 euh, en, un mois ou en une semaine, comment est-ce qu'on peut lui demander de payer, je sais 1000 euh, francs ou Je peux même comment il faire, de la digression pour dire comme dans le système sanitaire là. Hmm. Si on Qu'est-ce qui se passe dans système, dans le système sanitaire L'indigénat si on arrive dans notre système aussi éducatif de faire des indigènes, et qu'on fait, on c'est une proposition mhm. qui, qui me vient à l'esprit. On dit que cette catégorie de personnes, c'est des indigènes. On dit ça à la, communauté, vous, cette personne-là, on le laisse, ça ne paye pas, ou bien il, a, il paye à moitié prix. Mais est-ce que vous avez proposé cela Je ne l'ai pas fait. Ça, c'est, venu à l'esprit comme ça. <laughs> Merci, M. Abdou. M. Touré, euh, parent d'élèves, selon vous, quelle est la meilleure solution pour résoudre ces problèmes d'exclusion des élèves pour non-paiement des frais de euh, COGES Merci, madame. Euh, comme a dit Mbegui, c'est, un avis. On ne peut pas inscrire un enfant parce qu'il n'a pas payé les frais de COGES. Nous, nous sommes toujours sur le terrain et nous faisons des sensibilisations. Pourquoi on dit un comité Le comité est là pour avoir des stratégies de mobilisation des ressources. Le comité est là pour avoir des stratégies de mobilisation des ressources. Le comité doit concevoir des méthodes qui vont lui permettre de recouvrir cette somme-là. Et un enfant qui n'a pas payé, ce n'est pas l'enfant qui n'a pas payé, c'est ses parents qui n'ont pas payé. Et il n'a pas être pénalisé. il n'a pas à être pénalisé. Maintenant, pourquoi on dit le bureau du COIES Il y a les représentants des parents d'élèves et il y a le bureau des parents d'élèves. D'ailleurs, la mamelle même, c'est l'association des parents d'élèves, le bureau de l'association des parents d'élèves. C'est ça la mamelle même qui, qui, finance euh, les COIES. Mhm. Les COIES, hélas, c'est un comité de gestion. Maintenant, les recouvrements et tout, là, c'est les parents d'élèves. Si un, élève n'a pas payé, il y a les représentants des parents d'élèves qui sont dans les COIES. Il faut que le, le comité, là, fasse appel aux parents de cet enfant-là pour l'expliquer. Voilà, voilà, voilà. Si même les parents n'est pas venu, le bureau peut voir le bureau des parents d'élèves pour qu'eux prennent euh, en charge cette situation et aller retrouver ses parents, même à domicile, mhm. pour leur faire comprendre les biens de ses frais de COGES. Pourquoi on donne les frais de COGES mais on ne peut pas exclure un enfant parce qu'il n'a pas les frais. Mais en quelque sorte, est-ce que cela ne contribue pas quelque part à la déscolarisation de, de certains élèves Parce que des parents, ils pourraient ne pas envoyer leurs enfants à l'école euh, justement pour ces genres de situations. Mais, bien sûr, mais bien sûr. Du moment où on va renvoyer un enfant parce que ses parents n'ont pas les euh, euh, le frais pour payer, et l'enfant va rester à la maison. Les parents pauvres, certains ne savent même pas comment faire pour venir à l'école et, intervenir. C'est mhm. Certains craignent même les enseignants. Si ce n'est pas maintenant avec les systèmes de parrains d'élèves, de COGES, certains peuvent venir. Et tout ça là, il faut que qu'on fasse une sensibilisation. Les responsables des établissements posent beaucoup d'actes qui sont contraires aux textes qui régissent ces structures-là. Donc il faut que les parents d'élèves connaissent ces textes-là aussi. ces textes. Mhm. Et c'est ça là, c'est à l'issue de l'Assemblée générale. Quand ils font le plan d'action, les plans d'action, il faut le projet de plan d'action soumis au bureau des parents d'élèves. Maintenant, les parents c'est le bureau qui a l'attitude de convoquer une assemblée générale. Quand les parents vont venir, et cette somme-là, et, cette somme-là que le comité avait vraiment arrêté. Il n'est pas dit obligatoirement que les parents acceptent cette somme. Mhm. Maintenant, l'Assemblée générale est souveraine. S'ils disent qu'on dit 1000 francs, et ils disent qu'ils ne peuvent pas prendre l'engagement de payer ces 1000 francs, ils peuvent réduire ça à 500 francs. C'est que l'Assemblée générale est souveraine. C'est une discussion, entre, entre tous les, parents mhm. d'élèves et le comité, les parents, les bureaux des parents d'élèves. Maintenant, ils arrêtent. Maintenant, comment mobiliser cette somme ça, c'est le rôle du comité. Le comité doit sortir des stratégies qui vont lui permettre de recouvrir cette somme sans renvoyer aucun élève. Voilà comment ça se passe, madame. Merci beaucoup, Monsieur Touré, Monsieur Cheibou enseignant à la retraite, euh, en, regroupant tout ce que vous venez de dire. Donc, cela veut dire que sans le COGES, certaines écoles ne fonctionneraient pas. Ah, je ne dirais pas certaines écoles, même toutes les écoles. <laughs> parce que, vous savez, euh, c'est parce qu'on fait les choses euh, de manière un peu artisanale s'il faut évaluer la somme d'argent que les parents cotisent pour faire, pour faire fonctionner l'école, j'ai entendu l'année passée, il y a une région qui a envoyé un chiffre approximatif. C'est la région de Maradi, où il disait que euh, les parents d'élèves ont contribué pour plus d'un milliard, pour plus d'un milliard dans le fonctionnement des écoles. J'ai l'intime conviction qu'au niveau de Maradi, l'année là, l'État n'a pas mis un milliard dans le fonctionnement des écoles. On les a laissés à eux-mêmes. Non, il, a fait, mais il n'a pas fait autant. Or, il y a des rubriques eh, qui sont du ressort de l'État. Eh, par exemple, mais comme les manuels. Les livres et les, consorts. Les manuels, et puis il y a certaines choses que l'État doit, doit assurer, en tout cas au, niveau du secondaire. L'État et ses démembrements. Mhm. Parce que lorsqu'on parle de la commune, de la région, ça fait partie de l'État, c'est un démembrement de l'État. Donc vraiment, euh, de ce point de vue, l'école aujourd'hui, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural, c'est même plus grave, ce sont les COGES qui font fonctionner au quotidien nos écoles. C'est une très bonne chose. Moi, je dis, je dis que c'est une très bonne chose. Ce qu'il y a lieu de faire plutôt, il faut chercher à rationaliser la gestion de ces fonds. -là. En parlant de gestion, j'arrive, Monsieur Abdou, j'arrive. En parlant de gestion, là, pour vous, à votre avis, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr que les fonds récoltés vont aller euh, dans la bonne direction, la transparence euh? vous, savez, les textes, les arrêtés oui. qui définissent les attributions et le fonctionnement du COGES ont tout prévu. Ont tout prévu. Donc, c'est de veiller à l'application de ces textes-là faut pas que le. C'est ça qui est à l'origine de beaucoup de conflits notamment au niveau du secondaire. Vous entendez assez souvent les sections lycées collège qui font du bruit pour dire que ah, ils ne sont pas d'accord, voilà, voilà, ils ne sont mhm. pas d'accord. Sur le COGES. C'est lié à ça. C'est parce qu'il y a des chefs d'établissement qui s'accaparent qui s'accaparent de toutes les attributions du COGES. Ce sont eux qui sont, qui sont la caisse, qui ordonnent les dépenses, alors que le texte a prévu comment ça doit Il y a le rôle de chacun. Le rôle de chacun, euh, le, parent d'élève et puis celui qui a parlé au niveau de à, l'introduction il a dit comment ça doit se faire. Mhm. On évalue les besoins, on fait les cotisations et voilà les rubriques des différentes cotisations, euh, des, dépenses. Mhm. Je vous dis, si c'est fait de cette manière-là, en respectant les textes qui y avoir de problème. En tout cas, en tout cas, il n'y aurait pas de conflit. dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose sur euh, la question de la mobilisation des ressources dont fait cas mon grand frère dans mhm. Donc, il, il, parle de maladie. Au niveau du, primaire, nous, on a ce qu'on appelle les PAC, les, programme d'action axé sur la qualité, qui permet d'avoir une sommation des contributions des parents d'élèves. Mhm. Donc, je euh, n'ai pas les, données sous les yeux, mais sinon, c'est qui, qui, qui, rafle la première place en termes de mobilisation des parents ça, on a, on a, ça. À notre atelier, tout le monde sait, le classement, Niamey est en première position. Si on fait comparer ce que l'État investit dans l'école et, de façon régionale, un milliard, d'Ambadji, ce qu'il dit, ça ne tient pas la route. je dis dans le fonctionnement, pas dans les salaires. Non, pas le, non, non, même dans le fonctionnement. L'apport de la communauté. on ne peut pas comparer ce que l'État fait et ce que la, communauté fait. La communauté fait du, de son mieux, mais au demeurant, même si je suis le point focal régional, je peux être le représentant de l'État ici, mm. je ne peux pas comprendre qu'on me dise que l'État ne fait pas des efforts comparé à ce que l'État fait des efforts. L'État va continuer à faire. vraiment, je vous arrête. Il faut procès d'intention. ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Moi, j'ai l'intime conviction que l'État. Je suis pas le fonctionnement là. Sur ça, on j'ai dit bien fonctionnement. On ne peut pas avoir la même compréhension. Un milliard. Dire un milliard de fonctionnement à Maradi, hein. toute une région. 1 milliard à comparer, à en faire le, le ratio parent, euh, parent d'élève, 1 milliard, c'est C'est une contribution. Pour... Non, milliard, non, non, ne, ne, dites pas ça. Euh, dans, une, dans un rapport de, de l'INS sur l'alphabétisation et les niveaux d'instruction, euh, paraît-il qu'il y a eu 2% euh, des dépenses totales qui ont été mobilisées en 2010, 2% du budget alloué à l'éducation. C'est quand même pas rien pour les communautés. Pas rien. Non, non, ah, nous nous relativisons, nous savons ce qu'on disait. Je ne dis pas que les parents, nous, nous sommes avec la communauté, on sait que les parents font de leur... Euh, on ne minimise pas ce que l'État fait, on dit simplement que dans certains endroits, l'État a démissionné. <laughs> Monsieur Touré, euh, Association des parents d'élèves, c'est selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux gérer l'école nigérienne euh, pour mieux gérer l'école nigérienne, il faut une transparence. Certes, euh, l'État fait de son mieux, mais sans la communauté, comme a dit Dombagui, c'est vrai, les, beaucoup d'écoles n'ont pas fonctionné. Et durant plusieurs années, pas cette année seulement, durant plusieurs années, le fonds du COGES, là, ça permet euh, le fonctionnement des établissements. Parce que c'est avec le fonds du COGES, là, dans les établissements secondaires, qu'on prépare le devoir, qu'on fait le devoir, qu'on fait les compositions, et tout ça là, l'entretien des écoles, l'entretien des latrines. Et le paiement des salaires des gardiens. ça, c'est bien sûr. Il y a beaucoup des écoles, où c'est le collège qui prend en charge les gardiens. Du, tu vois, du secondaire jusqu'au primaire. Et tout ça, là, c'est les, COGES. Mais maintenant, pour que vraiment, qu'il il faut qu'il y ait une transparence au niveau de la gestion et, du, du, fonds du, COGES. Parce que eh, il faut une sensibilisation des parents. Mhm. Quand on dit qu'un parent ne paye pas, un parent n'est pas dit qu'il ne peut pas payer parce que c'est pour l'importance, l'importance c'est pour le bien de son enfant. Mais quelle est l'approche qui va lui permettre de venir voir ce qui se passe quand un responsable d'école, l'agent mobilisé, il fait les siens. Il ne le met pas dans les activités prévues par le plan d'action et que à la fin de l'année, on dit qu'il faut faire une assemblée générale bilan qui va montrer que tout ce qui a été mobilisé, voilà ce qui a été fait avec mhm. et voilà ce qui reste. Et que certains moment sont incapables de le faire. C'est ce qui manque. pourquoi les parents vont continuer à donner leur argent s'ils ne savent pas, où vont leur argent Voilà ce qu'il faut. Merci beaucoup, Monsieur Touré, pour cette intervention. Monsieur M. Cheibou Dambaji, euh, quelle politique adopter pour un bon fonctionnement des COGES à long terme Bon, <clears throat> le, ce qu'il faut, c'est d'abord le, respect des textes. Mhm. Et les deux qui sont intervenus avant moi, ils ont parlé de transparence. Mhm. La transparence, en fait, passe par le respect des textes. Il mhm. ne faut pas que les chefs d'établissement ou certains parents d'élèves s'accaparent des fonds hein, de, du, des COGES et puis le gérer comme ils veulent. En tout cas, si ces, ces précautions-là sont prises, en tout cas les COGES, vont continuer à avoir de beaux jours encore devant eux au niveau du fonctionnement des écoles. D'accord. Monsieur Abdougarba, point focal régional euh, des CGDES, euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous avez prévu pour euh, que les COGES fonctionnent mieux dans les établissements Je ne dirais pas mieux ce, je ne dirais pas mieux ce, que Dambaye et le SG a dit, l'application des textes et la démarche à appliquer les textes, la transparence dans la traçabilité, les, les bilans au niveau des âgés. Et ce qui fait que nous, au niveau du primaire, nous avons des ONG qui nous accompagnent dans la formation des parents d'élèves, des enseignants, pour que cette politique-là soit bien appropriée et bien assise. D'accord. pour ne pas faire de la publicité. Non, on ne fait pas de publicité. <laughs> ne vous en faites pas. voilà. donc euh, ah, c'est ainsi que prend fin le, forum <laughs> sur l'exclusion des élèves euh, pour le non-paiement des frais des COGES, Comité de gestion des établissements scolaires est-ce une violation du principe de la gratuité de l'éducation Selon nos invités, sans la communauté, beaucoup d'écoles ne fonctionneraient pas et la gestion dont en fait certains responsables d'établissements, à savoir exclure les élèves pour non-paiement des frais de COGES, ne respecte pas les textes, en l'occurrence la loi d'orientation du système éducatif. Parce que selon nos invités, sans respect de textes, il n'y aura pas de transparence. Nous étions avec euh, Abdou Garba, point focal régional du comité de gestion décentralisée des établissements scolaires à la direction régionale de l'enseignement primaire de Niamey. Cheibou Dambaji, chargé d'enseignement au secondaire à la retraite, Monsieur Mamadou Babatouré, secrétaire général de l'Association des parents d'élèves et étudiants. Prochain rendez-vous des programmes de Studio Kalangou demain à partir de 17h. C'était Raila Tousmana à la présentation et Amina Hassan à la technique. Au revoir.